le forum du studio le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou 18h, passé de 15 minutes en Niamey. madame, monsieur, bonsoir. Bienvenue au rendez-vous hebdomadaire, le forum de la presse d'Issidio Kalangou, qui réunit des journalistes pour analyser les principaux sujets de l'actualité. Ce qui a retenu notre attention cette semaine, c'est d'abord la visite samedi du président de la République Issoufou Mahamadou dans la région de Difa. En seconde position, nous parlerons du forum de Paris sur la paix. L'actualité, c'est aussi la crise politique en Guinée-Bissau, un pays de la CDAO qui fait euh, réunir des chefs d'État à Niamey. Pour analyser ces faits, honneur à la femme d'abord, nous sommes avec Memouna Diado de la radio télévision Tambara. Memouna Diado, bonsoir. Bonsoir. Garé Amadou du quotidien La Nation. Garé Amadou, bonsoir. Bonsoir. Issa Jibo, journaliste freelance. Hussein Issa Jibo, bonsoir. Bonsoir. Et Issa Madougou, journaliste à la radio et télévision Ténéré. Issa Madougou, bonsoir. Bonsoir, Au micro microphone Mokhtar Hamadou. Bienvenue à tous dans le forum de la presse de ce vendredi que nous ouvrons par ce déplacement samedi dernier du président de la République Issoufou Mahamadou dans la région de Difa, remonter le moral des troupes au front et réconforter les sinistrés des inondations causées par la crue de la Komadougou était en bonne place dans l'agenda du président de la République. Suivons à cet effet ce reportage de notre correspondant dans la région Lawan Boukar. Samedi, le président Issou Mamadou était à Difa où il s'est d'abord adressé aux militaires du 51e bataillon spécial d'intervention qui sont en guerre contre la secte Boko Haram. Vous qui êtes engagés en première ligne dans ce combat, je tiens à louer votre professionnalisme et votre combativité. Dans cette guerre, des forces de défense et de sécurité sont tombées sur le champ d'honneur avec bravoure et dignité. Des victimes civiles ont été également enregistrées. Cette guerre tend à s'inscrire malheureusement dans la durée mais croyez-moi, le terrorisme sera vaincu. Puis, le président du Niger est allé à Guesquerou, situé à 35 km de Difa, pour faire le point des dégâts causés par les eaux de la rivière Komadougou qui ont complètement submergé cette commune. À l'occasion, une assistance de 2,5 milliards de francs CFA a été annoncée par le président Issou pour soutenir les sinistrés. Le gouverneur m'a fait part un peu de l'évaluation des dégâts. Il semble que c'est près de 21 milliards. Mais nous avons décidé de concevoir euh, et de mettre en œuvre un plan d'urgence pour commencer de 2,5 milliards en faveur euh, des populations victimes euh, de ces inondations et même celles qui sont victimes de la sécheresse dans le nord de la région. Une réunion du Conseil de sécurité présidée par le chef de l'État a clos ce déplacement du chef suprême des armées nigériennes à Difa. Gary Amadou, votre commentaire après avoir écouté ce reportage de notre correspondant à Difa, Lawan Boukar. Oui, il faut dire que cette visite à Difa du de la République était attendue par la population. Vous savez, il y avait des acteurs de la société civile qui ont depuis longtemps, en tout cas, fait les choux gras. Le président ne part pas à Difa, il part partout sauf Difa. Il a délaissé Difa. Le président a voulu démontrer qu'il est proche de la population de Difa, qu'il est conscient des problèmes auxquels font face ces populations-là. Il est conscient des défis auxquels les militaires sont en train de faire face au niveau de la région de Difa. Et donc, sa visite a un double objectif reconforter le moral des troupes et apporter soutien moral et pour annoncer des assistances financières à la population qui a été victime des inondations. Donc, c'est une visite qui était, en tout cas, qui a été beaucoup appréciée. On a vu l'accueil de la population. Ça prouve que la population attendait le président. Je crois que euh, cette visite restera, elle fera date parce que le président a annoncé d'importants projets. Il a annoncé la fête tournante qui aura lieu l'année prochaine à, Difa, extrêmement important. Il a annoncé des projets, beaucoup de milliards qui seront investis dans la région pour faire en sorte que des routes qui seront construites pour donner une seconde vie à cette région qui a été meurtrie, non seulement par les inondations, mais aussi par le terrorisme. Mais je pense que euh, cette visite du président va lancer peut-être un tournant dans le cadre de la lutte contre Boko Haram. Parce qu'on a bien compris que le groupe terroriste a perdu de sa superbe depuis plusieurs années. Les attaques d'envergure. Oui, oui, au Niger, les attaques d'envergure comme les attaques contre Bosso, etc., contre Karamga, les attaques là, ce n'est plus possible. Maintenant, c'est des petits groupes. Ce n'est plus possible. Est-ce avec la montée des eaux de la Komadougou? Oui, peut-être que la, montée des eaux de la Komadougou, mais aussi la reprise de la force par les forces armées sous-régionales. Vous savez, il y a une offensive au niveau du Nigeria. L'armée nigériane est en train de, de rentrer dans la forêt de Sambisa. est en train de briser tous les repères dans lesquels se trouvent les combattants de Boko Haram Maintenant, la Komadougou a ralenti, mais il y a toujours des attaques, vous comprenez Mais c'est peut-être des escarmouches, c'est des petites attaques menées pas des groupes, des commandos mobiles légers elles sont tout aussi nocives, hein, mais le fait que Boko Haram ne puisse plus faire des attaques d'envergure comme celle comme contre Bosso, où c'est des milliers de combattants qui vont à la ville, ça, ça prouve que effectivement que le groupe est en train de perdre du terrain, il est en train de perdre la force. Maintenant, il s'agit de renforcer les moyens militaires, n'est-ce pas, en hommes et en équipement, pour faire en sorte que cette, cette en tout cas, ce groupe terroriste là, soit complètement anéanti. Moi, je n'aime pas le terme secte, je préfère les attaques, les appeler groupes terroristes. Non, je sais, parce que il faut dire les choses, c'est qu'elles sont, parce qu'en voulant dire secte, c'est comme si on veut euh, leur donner une certaine respect non, ce sont pas, c'est un groupe terroriste Boko Haram, quelle que soit la branche, que ce soit la branche de Mamanour, la branche de Shekau, etc., etc., toutes de Al-Barnawi, c'est un groupe terroriste, point très. Hussein Sajibo, faut-il euh, s'attendre à des améliorations de la sécurité et l'humanitaire après cette visite car il y a certainement des mesures non dévoilées Mokhtar, les annonces, c'est des annonces. Entre annonces et poser des actes, il y a souvent un fossé. Et le plus souvent, les gens sont habitués à ces jacques d'annonce où on dit qu'on va faire ceci, on va faire cela. On va essayer de mettre les moyens pour pouvoir régler tel problème, mais avec le temps, les gens réalisent que ça n'a pas suivi. Les besoins exprimés étaient euh, de 21 milliards de francs CFA. D'accord, d'accord. C'est une région que je connais. Je suis resté dans cette région. J'ai servi dans cette région. Je connais bien cette région. Et je dis quelque part, c'est bien beau d'annoncer Guesquerou. Je connais, je sais c'est quoi Guesquerou. Pratiquement, la ville est inondée. Mais avant Guesquerou, il y a déjà dans la zone de Meini, un peu partout jusqu'à la Difa, le chef-lieu de région, ils sont confrontés à cette situation-là c'est des populations qui sont déjà affectées par les attaques terroristes depuis pratiquement 2015 et qui se retrouvent dans une situation où ils peuvent plus exercer les activités qui leur apportent de l'argent, notamment la production de poivrons, la production d'oignons, la production de la pêche, la pêche, euh, les poissons. Oui, je connais, je sais de quoi je parle. Ils sont dans une situation où et pratiquement ils sont mais, aujourd'hui, toutes ces restrictions ont été levées Non, malheureusement, non. On annonce, mais sur le terrain, c'est pas évident. C'est pas tellement évident. On dit qu'on a, comment dire, levé telle restriction, telle restriction, mais peut-être dans des localités où il y a une certaine sécurité. Mais dans les autres localités où la menace est toujours présente. Vous faites allusion aux îles Karamga Oui, quelque part, pas seulement l'île Karamga, en dehors de l'île, il y a beaucoup d'îles dans la zone il y a beaucoup d'îles qui sont là dans la zone et des îles où on a fait déplacer des populations qui vivaient là-bas à cause de cette situation d'insécurité pour leur dire de revenir à la sur la terre ferme. Et quelque part, ça a créé une situation, à mon sens, pour permettre à la secte Boko Haram d'aller s'implanter. Parce que c'est des îles difficiles d'accès. Quand ils étaient là-bas, ils menaient des activités et tout et tout qui leur permettaient quand même de générer de l'argent. Ils sont plus là-bas. Ces îles sont devenues quoi il y a toujours des attaques de manière sporadique parce que on est dans une guerre asymétrique avec Boko Haram. Ce n'est pas une guerre classique où on sait où se trouve l'ennemi avec des positions mais, de depuis un certain temps, les attaques ont baissé d'intensité. Oui, mais bien évidemment, mais bien évidemment, vous savez le mode opératoire de ces gens, parce que quand on parle de Boko Haram, moi je vois pas seulement Boko Haram, je vois aussi ce qui est en train de se passer dans la région du Tilaberi. C'est un peu la même connexion. Ils ont des modes opératoires où tantôt c'est un masse qui attaquent et il se déplace d'un pays à un autre. Ça dit dire que on crée euh, la terreur dans un pays, on voit un peu ce qui se passe au Burkina, ce qui se passe aujourd'hui au Mali. Près un peu, quelque part, et amener, par exemple, le pays qui n'est pas attaqué à baisser la vigilance. Parce que tout simplement, la focalisation est faite sur les pays qui sont attaqués. Quand on prend le cas du Mali, quand on prend le cas du, du Burkina Faso, où on tue, ils viennent en masse, ils tuent, au Niger, de temps en temps, ils viennent, ils font des enlèvements aujourd'hui. C'est quoi les enlèvements Ils ciblent un peu les autorités locales, notamment les chefs euh, traditionnels, les chefs de village, les, maires. On, les enlève, souvent on les retrouve vivants, on les retrouve pas. Il y a 48 heures, je lis sur un site, un chef de village de la région de Tilabéry, là, euh, qui a été enlevé et qui a été tué. Le chef de village des Boni. Voilà. C'est des modes opératoires. Ce n'est pas une guerre classique qu'on mène avec ces gens. Et c'est une guerre sur la durée. Ça dit, pour ça, il faut éviter tout triomphalisme. On demande aux populations de, de collaborer. Le problème qui se pose avec les populations, le tout n'est pas de collaborer. Mais encore faudrait-il que quand tu collabores, on assure ta sécurité. On ne sait pas, ils sont parmi les populations, dans les villages et tout et tout. Quand <laughs> les éléments de forces de défense et de sécurité viennent vous interroger, il y a des gens qui sont peut-être avec eux, qui vont vous dénoncer. Et 48 heures après, ou même 24 heures après, il dépêche un commando pour venir éliminer, vous éliminer, éliminer. Voilà la situation, voilà les taux dans lequel se trouve, euh, comment dire, pris les, populations de ces régions-là qui sont confrontées à cette situation. C'est pour ça que j'ai dit, il faut... Donc, il faut, selon vous, il ne faut pas crier euh, sitôt non, il Y a pas, non, non, non, non, mais même les pays qui sont dotés de suffisamment de moyens, comme la France, comme les États-Unis, il y a tout le temps des... Parce que quelqu'un qui est prêt à donner, à, à, à se sacrifier, à se faire tuer, il sait qu'en allant sur le terrain, ce n'est pas pour y revenir en vie. Comment vous pouvez combattre quelqu'un qui est dans cette posture-là C'est ça la difficulté avec euh, le terrorisme, tel que ça a été cultivé, parce que ça a été cultivé comme ça. Depuis pratiquement les attentats du 11 septembre 2001, on a fait de ça parce que c'est des gens, ils viennent, ils viennent pas parce qu'ils veulent retourner euh, vivants. Vivant. Ils viennent parce que l'objectif, c'est de faire le maximum de dégâts. Et puis... mon pour vous, les populations de Difa attendaient-elles euh, cette visite du chef de l'État Si oui, quel est ou était l'espoir nourri euh, on pourrait dire euh, que que ça fait, c'est vrai, longtemps que euh, ces populations attendaient une visite du président de la République. Et je pense que ce que le président de la République vient de faire, c'est une très bonne chose. Aller remonter le moral de ses troupes et également aller vers la population, parce qu'il ne s'agit pas également d'aller vers une population quand il y a une inondation ou bien quand il y a des attaques. La population, elle est là pour vous, elle est là pour le président de la République elle est là en fait, pour que des choses comme des actes compose des actes positifs. Et je pense que la population l'avait attendu et ces choses faites. Et je pense que euh, déjà ce qui est annoncé par le président de la République, les 2,5 milliards pourront soulager, ne serait-ce qu'un tout petit peu, euh, cette situation dans laquelle se trouvent aujourd'hui ces populations. Bien que vous avez compris, il faut encore mobiliser les fonds et ça viendra, c'est sûr, parce que c'est un engagement qu'ils viennent de prendre devant ces populations meurtries par ces attaques de terroristes de Boko Haram. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle la famine. Qu'on le veuille ou non, on doit parler de ça. Parce que ces populations vivent de la culture. Aujourd'hui, avec ces attaques, elles sont un peu coupées de cette réalité de vie qu'elles ont l'habitude de mener. Et donc, je pense que vraiment en investissant, en promettant d'investir euh, au niveau de DIFA, c'est soulager ces populations. Mamoune Gado, est-ce que ce déplacement euh, du chef de l'État euh, peut susciter l'élan de solidarité des bailleurs de fonds Mais justement, ça peut susciter l'élan de solidarité. Un bailleur de fonds qui voit le président de la République sur le terrain va tout de suite comprendre qu'il y a nécessité d'accompagner le Niger, d'accompagner le président de la République dans cette objectivité. Et je pense que c'est un déclic et c'est un appel que lui seul peut lancer aujourd'hui au niveau de ses bailleurs pour qu'ils reviennent et financer, investir dans cette population du Difa. Madougou, quels sont ou pouvaient être les non-dits autour de cette visite du président Issoufou dans la région du Difa Merci Mokhtar. Moi je pense que d'abord, euh, il faut apprécier le déplacement à sa juste valeur. Mais je pense que moi j'ai une autre lecture de, cette visite. Au-delà de saluer et de voir euh, les, annonces, moi je pense qu'il ne faut pas oublier aussi un personnage dans ce déplacement, à savoir le gouverneur Lamine. Cette visite est aussi à mettre à son actif le président l'a investi d'une mission très lourde. Issa Lamine a été désigné gouverneur de la région de Difa, pas seulement pour aller s'asseoir au gouvernorat. Il a été investi parce que on, veut qu'il mette ses capacités, son leadership pour trouver vraiment une situation normale à Difa. Donc, vous l'avez investi d'une mission et pour qu'il puisse, il faut que vous venez le soutenir. Moi, c'est cette lecture que je fais des choses. C'est mon, mon point de vue. Mais aujourd'hui, quoi qu'on dise, c'est que moi je pense que cela ne suffit pas. Le président a fait son déplacement. Vous savez, parfois il faut essayer de comprendre un peu les situations. DIFA, depuis la situation a commencé à se Depuis compliquer. 2015. C'est en 2015 que la situation a commencé à se compliquer. DIFA avait besoin de ce soutien. Ce n'est pas venu à temps, mais c'est venu maintenant, mais quand même, il faut l'apprécier. Mais qu'est-ce qu'il y a à faire Moi, je vous bien voulu que, qu'au-delà de cette réunion de états-major, compte peut-être que c'est dû à l'agenda du président de la République, qu'il y ait une rencontre qui va regrouper les différentes choses les couches socioprofessionnelles de la région de Difa. Qu'il parle avec le président. Parce qu'il y a certaines choses que les leaders, les dirigeants, les autorités ne peuvent pas dire au président. Seules les populations peuvent le dire. Pourquoi, par exemple Par exemple, le rapport qu'ils ont avec les forces de défense et de sécurité. C'est ça qui complique la tâche. Parce qu'aujourd'hui, il y a une mauvaise perception parfois de certains militaires qui vont dans des zones. Parce que quand ils arrivent pour eux, beaucoup Haram, d'abord, ce sont les populations. Ils ont des informateurs qui ne sont pas efficaces. Par exemple, quand on prend le, la dernière attaque de Balabril, nous, les échos qu'on a eu les gens ont été informés depuis. Les gens se sont déplacés pour dire, écoutez, nous on entend de voir des mouvements dont vraiment nous, ces gens-là, on ne les connaît pas dans la zone. On n'a pas pris ça en compte. Il faut que ce rapport change entre les forces de défense et de sécurité. Il ne faut pas que quand un citoyen voit un élément des forces de, défense et de sécurité, qu'il perçoit d'abord la sécurité. Non, il devrait percevoir la sécurité. Et j'ai vu plusieurs activités menées par le gouverneur de la région de, euh, de, Salamine qui part sur le terrain pour sensibiliser. La dernière fois, il avait effectué une visite sur un poste de contrôle pour dire aux forces de défense qui sont là, faites votre travail quand vous e-, faites bien votre travail, la collaboration va venir. Mais il ne faut pas qu'il ait ce sentiment d'être frustré à tout moment. Dès que vous le voit la trahie, c'est comme si il y a un danger qui est là. Même s'il a des informations. Vous voyez, il y a un certain nombre de choses qui sont en train d'être faites par ce, euh, ce gouverneur qu'il faut saluer aussi également. Moi, je pense que la situation du DIFA mérite l'implication des uns et des autres. Le président a fait aujourd'hui euh, son déplacement. Il est à saluer. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire nous demandons à ce que le président soit personnellement sur ce dossier de l'annonce. Il faut qu'il le suive pas à pas. Mercredi a pris fin à Paris le Forum international sur la paix, un forum qui s'inscrit dans la dynamique initiée par le président de la République française Emmanuel Macron pour réaffirmer l'importance du multilatéralisme et de l'action collective. Issa Madougou, à l'occasion de ce forum de Paris, les présidents tchadiens Idriss Déby et nigériens Issoufou Mahamadou ont déploré un manque de solidarité de la communauté internationale face aux défis sécuritaires auxquels le Sahel est confronté. Comment avez-vous accueilli ces déclarations ce revirement de, de position, moi je pense que d'abord il faut saluer, mais moi je pense que c'est le médecin après la mort. Franchement, parce que il faut analyser ça sous plusieurs angles. D'abord, il y a un sentiment, un aveu euh, de désespoir. Non, je pense qu'il n'est pas temps de le faire. Parce que quand vous dites que non, on ne peut plus, on ne peut plus, non. Mais le fait de dire de pointer la responsabilité de ces gens parce que la Libye, ses présidents aujourd'hui, le fait de pointer la responsabilité de l'Occident dans la détérioration du tissu sécuritaire dans le dans le Sahel, moi je pense que c'est à saluer. C'est normalement comme ça qu'ils devront faire. Ils sont élus par leur peuple. Il faut que le peuple sente que ces gens sont là pour eux. C'est en ce temps, aujourd'hui, rien ne peut les arriver. S'ils peuvent défier, ils n'ont qu'à les défier. C'est nous-mêmes, les populations, qu'on va se lever pour les protéger. Personne ne va les toucher. Mais aujourd'hui, ils ont laissé, en quelque sorte, être manipulés par la France, surtout euh, dans le cas du G5 Sahel. Les gens sont là, ils ne font pas leur travail. Maintenant, c'est un peu tard. Les gens ne peuvent pas. On ne peut plus les, chasser de nos territoires. Ils se sont implantés parce qu'on les a laissés venir. Aujourd'hui, quelle est l'efficacité de l'existence de ces bases Mais moi, je pense que le courage même qu'ils ont eu, c'est à saluer. Mais ce sentiment... Est-ce que ce courage peut être un déclic évidemment. Vous voyez ce qui est en train de se passer un peu dans la sous-région. Ça a commencé avec l'écho. Dans l'établissement de l'écho, vous avez vu comment des chefs d'État... L'écho, la euh, Des chefs d'État ont commencé à se dire, euh, non, il faut pas aller de ce côté, il faut venir de gauche, il faut la droite, non. Quand la situation sécuritaire encore commence à s'empraser au Mali, au Burkina et au Niger, les chefs d'État se sont retrouvés tout récemment à Ouagadougou, ils ont décidé de ne pas attendre avec, de ne pas attendre à ce que les gens viennent les financer. La CDAO plus la Mauritanie et le Tchad vont débloquer 2 milliards. Et jusque-là, il y a certains pays qui veulent jouer comme le malin, le petit malin, à ne pas financer. Jusque-là, on a fait des annonces. Les gens sont là, ils sont assis. Et la situation ne continue qu'à se tourner. C'est pour cela qu'il y a des mots que Ibeka a dit que je salue. Où il a dit à l'Occident, vous voyez cette situation que nous sommes en train de vous pensez que vous êtes exempté. Non, ça va vous retrouver là-bas. nous allons vivre la même situation puisque vous êtes les gens que vous avez créés, qui sont là en train de foutre le bordel dans la région. Ils vont retourner chez vous parce que c'est avec vous qu'ils ont des accords. Nous, ils n'ont pas d'accord avec nous. Ce sont vos missionnaires. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, c'est l'Occident qui est à la base de ce problème. Le problème de la Libye. Vous vous rappelez, le président Issouf était l'un des premiers présidents a dit que la balkanisation de la Libye risque de coûter cher au Sahel. Quand il parlait, les gens ont vu autrement. Parce que c'est le pays le plus armé de l'Afrique. Quand la Libye explose, les armes vont partir dans tous les côtés. Aujourd'hui, Boko Haram se ravitaille. Dans le Sahel, le groupe djihadiste se ravitaille là-bas. Aujourd'hui, le trafic d'armes est devenu le business le plus rentable dans le Sahel. Et mais qui est à la base Ils ont pris des décisions, ils ont refusé d'accorder le financement, ils ont refusé de mettre la force G5 sur le chapitre 7 des Nations Unies. Ils ont refusé également de revoir la mission parce que le Mali actuellement, tout le monde sait que c'est pas une question de maintien de paix, c'est du terrorisme. Il faut que la MINUSMA change de mission, il faut que la soit plus combative. Gary Amadou, au même moment, se tient à Niamey une conférence internationale sur la prévention et la gestion des conflits liés à la gouvernance des ressources naturelles en Afrique de l'Ouest à l'initiative de la haute autorité à la consolidation de la paix, accompagnée par la coopération allemande et l'Union européenne. Simple coïncidence où ces deux rencontres vont de pair Non mais écoutez, on est dans un contexte quand même euh, sécuritaire sous-régional assez difficile. C'est-à-dire que des rencontres comme ça, il va en avoir beaucoup. Il y en a eu d'abord avant, il y en, aura, aussi euh, à l'avenir. C'est tout à fait normal. C'est des défis du moment qui font en sorte que ces conférences-là sont organisées. C'est-à-dire que l'Afrique de l'Ouest où le Sahel fait face à un problème extrêmement important, parce que l'insécurité a créé aussi un problème de gestion des ressources naturelles. Est-ce que vous comprenez Et donc, ce sont des choses qui vont ensemble. Maintenant, par rapport à ce qui, ce qui a été dit concernant le forum de Paris, en réalité, ce que les chefs d'État ont dit, c'est juste pour dire que si on lit entre lignes, ils ne vont plus compter sur les Européens. Il ce début dans une interview, a bien expliqué, il dit que pour la force du Sahel, G5 Sahel il fallait 450 millions d'euros. Il dit, mais jusqu'à présent, on n'a rien vu. Les pays ont promis chacun de son côté de verser 5 millions d'euros. Je crois que c'est 5 millions d'euros, chacun les a versés. Mais l'Union européenne a promis 50 millions, les autres pays ont promis, les États-Unis ont promis 60 millions de dollars, etc. Mais tout ça là n'est pas venu. C'est pour dire que la conférence, le sommet de la CDAO là, au cours, de la, au cours duquel on a décidé que on va euh, débloquer une enveloppe de 1 milliard de dollars pour consacrer à la lutte contre le terrorisme, c'est le sommet du déclic. Idriss Déby l'a bien expliqué, nous allons compter sur nos propres forces pour lutter contre Mais est-ce qu'ils ont, ils ont, ils ont les moyens Ils ont les l'Afrique a les moyens. Mais écoutez, vous savez, moi je n'aime pas ce, ce, cet afro-pessimisme-là qui nous prend. Cessez de croire que il faut forcément que les Occidentaux nous, nous, nous, nous aident pour qu'on puisse réussir. Mais écoutez, quand il y avait eu la crise en Sierra Leone, c'est pas les Comores qui est parti gérer cette crise-là. Les c'est pour qui C'est pas pour l'Afrique de l'Ouest. Vous croyez qu'il y a eu un franc des Européens pour, pour, cette force de les là Non c'est la force de l'EMCOM qui est partie, etc. etc. Gary Amadou, est-ce que la vraie solution, n'était pas la bonne gouvernance et la lutte contre la pauvreté Vous savez, c'est des choses qui vont ensemble. Est-ce que vous comprenez Mais c'est comme si vous me dites quelqu'un qui a une arme pointée contre moi, vous dites non, non, ce qu'il faut, euh, il faut lui sortir une carotte, il va le donner. Non, non. Elle dit qu'il y a la guerre. Il faut faire la guerre, Mokhtar. Maintenant, en même temps qu'on fait la guerre, il faut aussi mettre en place des actions de développement parce qu'il y a beaucoup de jeunes Parfois, c'est par nécessité qu'ils vont au niveau des terroristes pour avoir 300 000 francs de salaire pour un jeune qui n'a pas de boulot. C'est beaucoup de choses. Une moto, etc., etc. Vous voyez Donc, il faut des actions de développement. Mais pour le moment, comme l'autre, l'ennemi, a l'arme au point, il faut forcément faire la guerre, Mokhtar. On ne peut pas laisser. Et donc, ce que j'ai dit, c'est qu'il faut que les pays africains s'organisent eux-mêmes. Prendre leur destin en main. Prendre leur destin en main. Parce que ce serait un leurre de croire que les Occidentaux, là, ils vont financer la lutte contre le terrorisme. Parce que je vais être quand même un peu cruel. Mais écoutez, on est dans un système international où les intérêts économiques sont en train de prévaloir. Les Occidentaux, là, ils ont des intérêts. Il y a beaucoup de ressources minières dans la zone là. Il y a aussi des armes à vendre. Il y a des armes à vendre. Il y a les Chinois qui sont dans une offensive. Il y a toutes ces choses-là qui font que il y a nécessité à ce que pratiquement on bloque l'exploitation de ces ressources minières-là parce que l'insécurité va empêcher qu'on puisse... L'insécurité va faire en sorte qu'on puisse bloquer l'exploitation de ces ressources minières-là. Et là, par voie de fait, donc, les Chinois qui sont dans une offensive en Afrique seront limités dans leur, dans leur élan. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de paramètres. Vous savez, ces terroristes-là, c'est ce qu'on voit. Mais en réalité, en bas, il y a beaucoup d'autres choses. Des choses hideuses. C'est-à-dire que si le monde comprenait ce qui se passe, ce serait catastrophique pour, pour de, penser qu'une nation peut, peut, peut comploter comme ça. Je l'ai dit une fois sur un plateau, j'ai dit, vous savez, les terroristes peuvent être utiles pour les Occidentaux, même s'ils sont leurs ennemis. Mais tout dépend de l'objectif qu'ils se sont fixés au Sahel. Et donc, c'est sûr de croire que ce terrorisme-là, les Occidentaux veulent qu'il finisse. Hein. Ah non, mais si le terrorisme finit, les bases militaires vont, vont partir. Réfléchissez un peu, mais les bases militaires, mais les bases militaires là. mais les bases militaires là, elles sont là pour rester pour longtemps. Et vous pensez que ça les arrangerait qu'on dise que, ah oui, oui, en 2020 là, beaucoup Boko Haram, Shekau est mort, on a tué tout le monde. Voilà. Et puis, euh, comment on appelle ça là, le, Abou Ali de Sarou a été tué, les terroristes sont morts, et puis tout est fini. Vous pensez que ça les arrange ça là? Oui, pourrais euh, ajouter quelque chose par, rapport à ce que Gary a dit. vous avez vu, euh, ils ont un intérêt c'est-à-dire c'est caché, l'intérêt est caché, puisque vous vous rappelez que les chefs d'État de la CDA africains ont pris la décision pour faire taire les armes en 2020. Et en 2015, tout a explosé à une allure où on sait qu'on est parti jusqu'en 2050. Voyez-vous, il y a toujours un agenda caché. Mais quelle analyse vous inspire ces rencontres sur les difficultés de financement pour la sécurité et le développement au Sahel Bon, je voudrais un peu revenir d'abord sur le forum de Paris, donc le forum de Paris sur la paix, parce que l'analyse que moi je fais ici, c'est que c'est pas d'abord à la France d'organiser ce forum. Ce forum aurait bien pu être organisé dans le, G5 Sahel. Mais le forum ne concerne pas que l'Afrique, il y a d'autres pays, ça concerne beaucoup de pays. J'arrive, parce que là, on pense que c'est l'Afrique d'abord. C'est l'Afrique qui est touchée d'abord. Donc, pourquoi ne pas organiser Pourquoi ne pas mettre euh, ces chefs d'État africains en contribution pour pouvoir voir réellement euh, la situation dans laquelle vivent ces, populations. Deuxièmement, c'est parce que la France, je me dis que elle se sent menacée. Elle se sent menacée de plus en plus par l'offensive chinoise. Pas seulement l'offensive chinoise, parce que aujourd'hui, la France se retrouve dans une, euh, elle est prise au piège. Pris au piège comment C'est parce que tout simplement, aujourd'hui, elle voit que ses intérêts sont menacés en Afrique par non seulement la Chine, la Russie, il y a l'Allemagne. Donc, c'est vraiment des grandes puissances. Et aujourd'hui, ces grandes puissances, la Turquie, ces grandes puissances-là, c'est une façon de dire, moi je, je voudrais dire que c'est une façon à la France de dire, à ces pays africains, faites très attention, la France vous suit. La France vous suit parce que, tout simplement, la même chose que la France est en train de chercher en Afrique, c'est la même chose que ces États, ces pays comme la Russie, la Chine et autres sont en train de chercher en Afrique. Donc ça va réduire du coup la grandeur, la capacité de la France de contrôler les États africains qui ont été colonisés par la France. D'accord. Et de deux, ce que vous me dites aujourd'hui, de savoir si les difficultés du financement pour la sécurité et le développement au Sahel Oui, les difficultés pour le financement. Vous avez vu à un moment donné, aujourd'hui quand je prends l'exemple du Tchad, le Tchad, dès les premières heures de, de, de guerre au Mali, le Tchad avait mis tout son budget, à peu près la moitié ou plus la moitié de son budget, dans la crise, dans cette situation de guerre au Mali. Mais qu'est-ce que ça a donné c'est parce que tout simplement, les pays africains mettaient plus, investissaient plus dans leur propre budget que la France. Est-ce que vous voyez Ils attendaient à un moment donné le financement de la France et qui n'a jamais été aussi un financement où on pouvait estimer que la France pouvait prendre tout sur sa tête aujourd'hui pour pouvoir sauver les pays africains. Mais c'est aux pays africains d'investir. Et ça nous a fait, ça nous a ramené au point où ces pays africains ne peuvent plus se contenir même les salaires. C'est un problème pour un pays aujourd'hui africain qui est affecté par la crise là, de s'en sortir réellement du point de vue économique et du point de vue également social. Donc, vous voyez ce que ça fait. Aujourd'hui, c'est comme si on demande aux Africains, c'est votre guerre, investissez pour vous, pour pouvoir vous faire, pour sauver vous, sauver vous-même de cette situation. Alors que on sait pertinemment que ça vient de l'Occident. Tout ce que nous sommes en train de vivre, tout ce que nous sommes en train de voir, c'est l'Occident. Il y a des djihadistes, des patrons de ces djihadistes qui sont aujourd'hui en Europe, qui sont aujourd'hui en France et qui vivent à l'aise, qui ne sont pas inquiétés. Mais pour l'instant, les pays africains sont en train de souffrir parce que quand on regarde le budget, même ici au Niger, quand on regarde le budget, la moitié du budget part au niveau de la sécurité. Et ça nous fait aujourd'hui que n'arrive pas aujourd'hui à vivre comme nous le voulons et comme nous le souhaitons. Donc, il faut repenser à ça. Il faut également avoir des stratégies de, d'investissement. Comment est-ce qu'il faut faire pour investir? Parce que je pense que l'Afrique seule ne peut pas investir et lutter contre euh, l'insécurité dans laquelle nous sommes. Ousseini Sajibou, l'armée malienne vient de se replier de ses positions jugées isolées et qui les expose aux attaques euh, près des frontières du Niger et du Burkina Faso. Comment comprendre ce repli alors que des populations civiles y vivent et les voyageurs empruntent chaque jour ces axes Les gens qui attaquent là, ils viennent d'où Quand ils font des attaques, ils vont où il faut se poser ces questions-là. Ils n'ont pas de base fixe, ils n'ont pas de position fixe. Il y a un jeu de dupes dans cette affaire, en bon sens. Il y a un jeu de dupes. Parce qu'ils n'ont pas de base fixe. On dit le Katiba de un tel, Katiba de un tel. On fait un ratissage là, village par village. C'est une question de simple bon sens. Parce que en, guerre classique, c'est que tu connais les positions de l'adversaire. Tu peux aller le prendre bah, euh, l'attaquer par surprise. Mais on est dans une situation où ils contrôlent. Ils peuvent sortir, ils vont s'en prendre aux armées étrangères qui sont venues nous défendre. Ils, vont s'en prendre à nos soldats, à nos positions. Ils se ravitaillent en armement, en munitions. Ils retournent. Personne ne sait où ils sont partis. Et on est dans ce schéma-là. Moi, pour moi, quand les gens vont continuer à aller commander, Kemandé, parce que moi j'appelle ça Kemandé. Allez demander, il faut nous soutenir pour aider le djihadisme, pour aider le tout. Non, on a les moyens, on peut créer les conditions de mettre fin à cette situation-là. Parce que c'est pas des gens qui sortent de sol. Ça dit, c'est comme si tu, tu, tu, mets du, des grains et qui vont pousser quand euh, ils sortent. C'est pas la même chose. Ça veut dire qu'ils ont des positions qui sont là. Quand il y a eu la première attaque, quand il y a eu la progression au Mali, quand la force, je sais pas Gary, c'était quelle force là qu'on avait envoyé? Pour, pouvoir stopper. Et on avait un mur à partir de Kidal. On dit à l'armée malienne, vous ne pouvez pas accéder à Kidal. Nous, nous, nous, nous allons gérer Kidal. Tout le problème est parti de là. Parce que Kidal fait partie du Mali quand même. Et moi, je suis désolé, je suis désolé quand les gens vont continuer à attendre la main, après 60 ans d'indépendance, nous avons toutes les ressources. Mais est-ce que les gens pensent que les Occidentaux, là, en tout cas, en tout cas ceux qui nous ont colonisés, je vais dire la France, ils sont d'accord que les ressources dont nous disposons, les ressources dont ils disposent, qu'ils ont exploité jusqu'au bout, ils ont fini avec leurs ressources. Est-ce que les gens pensent qu'ils vont nous laisser exploiter ces ressources-là pour, Non. Alors qu'on peut dire non on peut dire non. Le Congo, c'est un scandale géologique, euh, un peu partout. Le Niger également, c'est un scandale en matière de, ressources naturelles. Mais ça nous sert à quoi Est-ce que les populations sentent les retombées de l'exploitation de ces ressources-là Absolument pas. Est-ce qu'on doit continuer dans cette logique-là alors qu'on n'a pas besoin d'aller tendre la main Partenariat gagnant-gagnant, voilà, d'accord. c'est as les moyens, tu as la technologie et tout et tout ok, moi j'ai la ressource. Va manger ta technologie. Va manger tes moyens. Mais je ne veux pas accepter que tu viennes me donner une portion, 5% ou quelque chose qui correspond à rien du tout par rapport à mes besoins de développement, à mes, à mes, Les questions d'investissement, il faut que les gens arrêtent. Il faut que les gens arrêtent parce que tout simplement, ça va pas nous avancer on va rester. Ça fait 60 ans qu'on est indépendant. Est-ce qu'on peut continuer comme ça Ils vont venir exploiter. Le jour où ça va finir, Somalie, euh, Cominac a fermé avant, il va fermer bientôt. Euh, ils, ont fini d'exploiter, ils vont s'en aller. Ils vont s'en aller. Ils disent qu'ils vont faire un travail de pour viabiliser encore. Est-ce qu'ils vont le faire Quelque chose qu'on a exploité pendant 40 ans, 40 ans d'exploitation ou 50 ans, ils vont, ah, ils vont, ils vont faire quel travail Parlons à présent du sommet extraordinaire de la CDAO tenu vendredi à Niamey sur la crise politique en Guinée-Bissau. Une crise euh, qui évolue car le président Bissau guinéen apparemment ne veut pas écouter euh, ses pairs de la CDAO. Hossein Issa en principe, trois chefs d'État euh, désignés par la CDAO iront dimanche à Bissau, espérant dénouer la crise. Faut-il espérer un retour au calme <laughs> et le déroulement euh, de la présidentielle le 24 novembre à Bissau moi, moi, pour moi, moi, pour moi, tout ça là, hmm? tout ça là, c'est du cinéma. Non, ça dit, c'est du. Non, le problème en Afrique qu'on connaît, on fait le parallèle avec ce qui se passe en Occident. C'est deux mandats. Tu finis tes deux mandats. Il y en a qui font même pas deux mandats, Un premier mandat, ils s'en vont. La démocratie, nous l'avons pas inventée. Nous sommes en train de l'appliquer chez nous. Comment des gens vont venir parce que tu considères que tu es en position de pouvoir et que ton mandat expire, tu ne veux pas quitter. Et déjà, des chefs d'État, ils viennent, ils s'assoient, ils acclament. Non, regarde, ces histoires de CDAO, ces histoires de Union africaine et tout et tout. On a vu plein de cas. On a vu plein de cas. Ah, je ne sais pas quel pays, le Cameroun, Martin Fayelou, ah. Il a gagné les élections au Congo, RDC, en euh, euh, République démocratique du Congo. Euh, bon, voilà. Il a gagné les élections, tout le monde, ils ont dit non, non, non, l'Union européenne et l'Union africaine a dit non. Avant, la Cour constitutionnelle est sortie pour dire, c'est comment il s'appelle le président Celui qui a gagné. Est-ce que ça n'a pas été validé Si. Ça dit que c'est un désaveu de l'Union de, africaine. Moi, il faut qu'on arrête ces organisations-là, pour, être, pour qu'elles soient prises au sérieux, il faut que se donnent les moyens, mais ce n'est pas à la tête du client, à la tête du client, en mmh. fonction de qui c'est. Il y a une situation Gary, Amadou, à la lumière de tout ce qui s'est passé depuis ce sommet de Niamey, quelles sont les chances d'une normalisation en Guinée-Bissau et, surtout pour éviter une guerre civile à l'occasion de la présidentielle dont euh, est candidat le président actuel de ce pays Donne-moi juste une minute. Mais il n'y a pas que le cas de la Guinée-Bissau. Mais il y a le cas aussi de la Guinée qu'on a créé. Qui est voisin. là <laughs> Est-ce qu'on en a parlé ah ah, Il y a même quelqu'un qui est venu au nom de la Guinée-Conakry, alors que le monsieur il veut modifier la constitution. Pour rester. Ah, il y a 20 mois, plus de 20 mois. Mais, alors, Le jour la réunion. en fait, en fait, moi je pense que les chefs d'État, c'est parce que peut-être que pour la situation en Guinée-Bissau, ils vont faire un sommet. Mais comme les élections en Guinée-Bissau, c'est pas cette année, c'est l'année prochaine, certainement qu'ils se disent qu'il y a encore un peu de, un peu de temps. La présidentielle, c'est le 24 novembre. 24 novembre. Je parle de Guinée-Conakry. Ah. Ah. Je parle de Guinée-Conakry. Pour le moment, ils se disent qu'il n'y a pas urgence, puisque dans tous les cas, le président, il est dans son mandat, n'est-ce pas? quand l'échéance de... D'habitude, la CDAO, elle se réunit dès les six mois avant les élections, quand il voit qu'il y a un problème pertinent. on a prolongé le mandat. <laughs> qui, mais, euh, non, c'est pas la même chose. Non, non, Guinée-Bissau. on a prolongé... moi, je parle de Guinée-Conakry. j'arrive. Oui, c'est ça que j'ai dit. C'est ça que j'ai dit. C'est-à-dire que, en fait, la CDAO ne se réunit pas comme ça. C'est-à-dire que, par exemple, il y a, par exemple, au Niger, par exemple, la CDAO ne se passe réunir sur le Niger. Le Niger, les élections, c'est en 2020. Vous comprenez Même si, à supposer qu'il y a des problèmes, elle ne peut pas se réunir sur le Niger. Donc, pour la Guinée, les élections, c'est l'année prochaine. Il n'y a pas urgence. L'urgence, c'est la Guinée-Bissau. Parce que là, le président, il a dépassé même son mandat. Et donc, c'est une situation de crise qui peut déboucher sur, une guerre. N'est-ce pas Quel que soit ce qui se passe en guinée qu'on a créé là, il n'y a pas, en tout cas, on va considérer que l'Union africaine, la peut juste faire un communiqué. L'Union africaine va faire un communiqué, n'est-ce pas La Cour pénale a fait un communiqué pour dire, rappeler les gens que voilà, tous ceux qui commettent des exactions, ils subiront les conséquences, etc. Mais on n'en est pas encore là. Pour le moment, le président est dans son mandat en Guinée-Conakry, donc la CEDEAO attend le moment opportun. C'est pas qu'elle néglige cette situation, mais je pense que le président de Guinée-Bissau a intérêt à suivre les, en tout cas, les injonctions de la CEDEAO, parce que quoi qu'on dise, la CEDEAO là la CEDEAO, c'est une institution sous-régionale. Et elle peut être écoutée par les bailleurs de fond. Je pense que s'ils continuent à s'entêter, D'abord, c'est un pays, comme l'a, comme l'a rappelé aussi, n'est-ce pas, les trafiquants de drogue, c'est un centre de, enfin, c'est une zone de transit pratiquement de, trafic de drogue vers les pays qui viennent de pays, euh, qu'on appelle d'Amérique latine, etc., etc., jusqu'au Sahara. Donc, je pense que les Occidentaux sont en train de suivre. Je vous assure que s'ils s'entêtent, ce qui va lui arriver, c'est vraiment la chose, la, pire des choses. À la limite, il va même fuir le pays je pense qu'il doit quand même, euh, en tout cas, se calmer, revoir ses ambitions à la baisse pour permettre à son pays vraiment d'entrer dans une ère réellement démocratique. Mais Mouna, rapidement, euh, peut-on parler d'ingérence à travers les décisions prises à Niamey, notamment la démission du gouvernement nommé par le président Vaz et le doublement des soldats de la CDAO Ingérence euh, de quelle manière Dans les affaires intérieures du, pays par la CDAO. Je pense qu'on ne peut pas parler d'ingérence parce que tout simplement, c'est une institution. La CDAO doit prendre des mesures pour que, même si le cas, aujourd'hui on arrive à régler le cas de, de Guinée-Bissau, que d'autres présidents qui aspirent à faire la même chose soient alertés parce que en fait, quand vous vous, vous avez tout suivi d'ailleurs, dans le discours du président en exercice de la CDAO, il avait bien énuméré ceci que il ne la CDAO n'acceptera jamais, plus jamais, que des protagonistes et pensent rester au pouvoir après les deux mandats. Mhm. Donc c'est un message fort mhm. que la CDAO a lancé aux autres présidents mhm. qui sont dans la même situation ou qui veulent être dans la même situation pour amener leur pays dans la crise post-électorale. Donc je pense que ingérence, la CDAO n'a pas à faire ingérence, mais la CDAO, c'est une institution reconnue par, euh, par, par, par tout le monde donc euh, par les chefs d'État africains même qui siègent dedans. Et je pense que la seule chose qu'on peut déplorer, c'est que c'est arrivé à, euh, à un moment, c'est trop tard en fait, ce que je voudrais dire, parce que la CDAO pouvait en amont faire quelque chose, parce qu'il y a eu des présidents qui se sont maintenus dans ces conditions, dans <laughs> oui, oui, qui se sont maintenus au pouvoir. au pouvoir. Mais mm. maintenant, c'est oui. Euh, ça, et euh, Rwanda peut-être. Euh, oui, Rwanda, ah, oui. non, même dans l'espace. Mais c'est pas tard, mais moi, mais Mona, c'est pas tard. Moi, je pense que c'est pas tard. Non, c'est pas tard, c'est pas tard, mais. La CDO a déjà alerté, la CDO a posé des actes. Mm. Mais c'est que le président est dans une posture d'entêtement où je ne sais pas là où il, est mm-hmm. sorti avec ses imaginations pour pouvoir se maintenir au pouvoir. Mais moi, ce que je vois, si les chefs d'État euh, de l'Afrique de l'Ouest peuvent se réunir et s'entendre à régler une situation pareille, alors il faut que aussi dans le domaine de la sécurité, que l'ensemble ils puissent s'asseoir. Mais néanmoins, ce qui m'a paru un peu bizarre, dans, au cours de ce sommet, c'est qu'on voit que certains pays, c'est comme si ça les intéresse pas. C'est quand on devrait décider sur le sort d'un pays, tout le monde doit être là. Regarde aujourd'hui la situation que Buhari est en train de <coughs> faire. Ah, Cette violation flagrante des directives de la CDAO. Comment un président... ils ont parlé de ça quand même. Oui, mais, bon, c'est dans le devrait... Non, ils en ont discuté en fait. Mais il faudrait ah qu'on convoque aussi un sommet extraordinaire. Parce que les directives de la CDAO ne doivent pas, on ne doit pas laisser quelqu'un c'est mais voilà. ça va s'arranger. Non, non, c'est sûr. Voilà. C'est sûr, mais. Voilà, 20 morts, c'est sûr. pour la démocratie. C'est sûr. Moi, j'ai dit, quand même, c'est quelque chose d'extrêmement grave. C'est sûr. Pour voilà. président qui a passé toute sa vie dans l'opposition. Et vous voyez, comment ça, ça, se passe quand on fait le rapprochement entre le forum qu'avait organisé NDI par rapport aux les mandats. la, limitation, oui, la limitation des mandats. Vous voyez donc, c'est un rapprochement également avec la CDAO, Mais vous avez avec le voilà, de Guinée-Bissau. voilà, pour le forum aussi, il y a des chefs d'État qui n'étaient pas venus, parce que oh. tous ceux qui sont indexés là ne sont pas venus. <laughs> voilà, voilà, voilà, nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Merci à nos invités, Garé Amadou du quotidien La Nation, Hussein Issa Jibo, journaliste freelance, Memouna Diado de la radio et télévision Tambara et Issa Madougou, journaliste à la radio et télévision Ténéré. Merci aussi à tous les auditeurs pour votre fidélité au programme du studio Kalangou. Rendez-vous samedi et dimanche de 17h pour suivre les programmes jeunes du studio Kalangou sur les radios partenaires. Il sera suivi du forum à et Anzarma. Merci, au revoir.